Mesdames et messieurs, bonsoir veuillez nous excuser pour euh, ce retard euh, indépendant de notre euh, volonté pour cette nouvelle page d'actualité du vendredi 13 janvier 2023. Tawa dans cette euh, édition pour euh, la septième euh, édition de la semaine de relais régionaux du Conseil supérieur de la communication, une journée de sensibilisation et d'échange. C'était ce jour 13 janvier 2023 à Tawa sous la présidence du président du Conseil supérieur de la communication. Le compte rendu avec nos correspondants depuis Tawa Al-Haji sur les images de Maman Sani Ousmane. En prélude à la septième édition de la semaine des relais régionaux, le Conseil supérieur de la communication CSC a organisé un atelier d'échange et de sensibilisation sur la nécessité de préserver la paix et la quiétude entre les communautés. En présence du secrétaire général du gouvernorat de Tawa. Cet atelier regroupe les acteurs médiatiques, les autorités administratives et coutumières, les acteurs politiques, les forces de défense et de sécurité, les ONG, les OSC, les leaders d'opinion. Notre région se réjouit, Monsieur le Président, d'accueillir cette importante rencontre, surtout dans le contexte sécuritaire du moment marqué par des menaces terroristes et des crimes organisés le président de la République, chef de l'État, son Excellence Mamadou Zoum, reste attaché à la liberté de la presse et à la liberté d'expression tout court. Pour preuve, l'introduction par le gouvernement du projet de modification de la loi 2019-33 du 3 juillet 2019 portant répression de la supercriminalité au Niger. Par ce geste, le gouvernement propose à l'Assemblée nationale un nouveau texte tendant à assouplir les peines liées aux défis de presse. Les médias ont toujours été des supports de communication à la fois privilégiés et redoutables en période de crise et singulièrement dans le contexte de cette guerre asymétrique imposée à notre pays. D'où la nécessité d'une surveillance plus accrue des programmes de nos médias que nos médias diffusent, publient ou élèvent. C'est pourquoi je salue sincèrement l'initiative du Conseil supérieur de communication d'échanger avec les différents acteurs dans les régions pour leur permettre de saisir le contenu de contexte des textes sur la régulation des médias, d'appréhender la dimension de leurs tâches et les responsabilités qui leur incombent en pareille circonstances. Le président du Conseil supérieur de la communication, dans son discours de l'Assemblée, a d'abord remercié les autorités de la région de Tawa pour laquelle plein de gratitude et leur disponibilité avant d'expliquer le thème et le but de cette rencontre. La septième édition de la semaine des relais que nous ouvrons aujourd'hui à Tawa a pour objectif principal de renforcer les capacités des chefs de services de relais régionaux d'Agadez, Tifa, Dosso, Maradi, Tawa, Tilaberi et Zander. Ce sera aussi l'occasion pour le Conseil supérieur de la communication de sensibiliser les médias, les responsables des forces de défense et de sécurité, les représentants des partis politiques et des organisations de la société civile sur leur rôle et leur responsabilité dans la prévention des conflits. La journée de sensibilisation sera suivie de la semaine des relais du CSI, une rencontre devenue une tradition initiée par le Conseil supérieur de la communication, permettant à ces représentations régionales pardon, de se retrouver et d'échanger sur les défis de la régulation des médias et les alternatives pour y faire face. La promotion de la paix, de la quiétude sociale et de l'unité nationale est un devoir citoyen qui incombe à tous. Les médias traditionnels, en tant que support de communication par excellence de proximité, ont un rôle fondamental à jouer dans la sensibilisation des populations et de l'éducation à la paix. C'est du reste l'une des missions de service public que leur a conféré la Constitution du 25 novembre 2010 en son article 158. La présente journée d'échange réunit 40 participants, dont des journalistes locaux, des acteurs de la société civile, des représentants des partis politiques et des forces de défense et de sécurité. Le second événement que nous lançons concomitamment avec la journée d'échange est la semaine des relais régionaux du CC. Au cours de septième édition, qui réunit les sept représentations du CC en région, les cadres centraux vont renforcer les capacités des relais sur la gestion axée sur les résultats, le monitoring des réseaux sociaux et de la presse en ligne, la rédaction de rapports circonstanciés et la maîtrise de nouveaux outils informatiques. Notez que l'atelier va se poursuivre avec la formation des relais régionaux du CSC. Dans l'après-midi, le président du Conseil supérieur de la communication et sa délégation ont rendu visite à tous les médias publics et privés de la ville de Tawa et ont profité de cette occasion pour remettre des documents à tous les médias la direction régionale des impôts de Tawa a officiellement lancé une campagne de sensibilisation sur le recensement des impôts fonciers jeudi 12 janvier 2023. Le compte rendu avec nos reporters, nos correspondants depuis Tawa. Le premier ministre de la ville de Tawa a présidé la cérémonie de lancement de recouvrement des infos fonciers organisée par la Direction régionale des impôts, en présence du directeur régional des impôts. Le paiement des impôts est une obligation pour tout citoyens souciés de l'avenir de son pays. À ce titre, le directeur régional des impôts de Tawa a dans son discours rappelé l'importance des impôts dans le développement d'un pays, avant de s'apaisantir sur le thème de la réunion la campagne régionale de recensement des impôts fonciers. De par les statistiques de la Direction générale des impôts, depuis des années, il y a eu des réformes sur les impôts fonciers. Et ces réformes n'ont pas toujours abouti à des résultats satisfaisants. Pourtant, dès qu'on rentre dans des villes, en tout cas, on constate la matière. Entrez dans la ville de Tawa, vous avez des immeubles qui poussent. Vous avez vraiment de la matière, de la matière. Mais euh, concrètement, euh, euh, les résultats ne suivent pas. Donc, compte tenu de cette contre-performance, donc la direction générale des impôts nous a invités, en tout cas, à, réunir nos partenaires que vous êtes pour voir ensemble les voies et moyens pour faire face à, cette, difficulté. Il y a eu beaucoup de réformes à la matière. Moi, ça me fait à peu près un peu moins de 30 ans de service à la Direction générale des impôts. Donc, euh, euh, j'ai trouvé ce qu'on a appelé la taxe sur les biens de bains mortes. C'est assis sur, sur, les, donc l'immobilier. On a trouvé la taxe sur la valeur locative, les taxes foncières, la taxe immobilière et maintenant les impôts fonciers regroupés en trois catégories. l'impôt sur les revenus des baux professionnels, l'impôt sur les revenus des baux d'habitation et l'impôt et la taxe immobilière des biens des personnes morales. Donc voilà, euh, en tout cas, pour le moment, comment sont structurés euh, les impôts fonciers. Les difficultés que nous rencontrons dans la gestion de ces impôts en tout cas, en ce qui nous concerne, c'est surtout euh, que la population euh, n'adhère pas à cet impôt. Pourquoi la population n'adhère pas à cet impôt Parce que nous avons constaté sur le terrain, en tout cas, euh, la population ne collabore pas, que ce soit aux opérations de recensement ou aux opérations de recouvrement. Peut-être c'est dû au fait que les locataires ne sont pas protégés, mais dans tous les cas, en tout cas pour nous, eh, les problèmes sont liés au comportement de la population. Donc c'est pourquoi eh, nous avons convié, en tout cas les leaders d'opinion, qui sont d'abord les autorités municipales, à travers donc le conseil de ville, eh, les maires des arrondissements, les conseillers municipaux, les, même les chefs de quartier, parce qu'ils sont tous impliqués. Les chefs de quartier, ce sont des auxiliaires de l'administration. Donc, à ce titre, nous pensons qu'ils doivent apporter également leur contribution dans le cadre de l'amélioration du rendement de cet impôt. Notez que cet atelier a duré une journée et a regroupé tous les partenaires de la direction régionale des impôts de Tawa. Toujours à Tawa, le gouverneur de la région de Tawa a réceptionné le clé du marché central de l'ADER estimé à plus de 20 milliards et bâti sur une superficie de 3,49 hectares le mercredi 11 janvier 2023. al hajiawale Moumouni à côté, Mamassani Ousmane pourra faire le point. Mardi 19 février 2019 est une date écrite dans le livre d'or de la région de Tawa. Ce jour, la population de Tawa accueillit son Excellence Issoufou Mahamadou, président d'OTAN, pour l'inauguration du marché central de la région de Tawa. Mercredi 11 janvier 2023, la population de Tawa, à leur tête, les autorités régionales étaient sorties massivement accueillir deux membres du gouvernement. Il s'agit du ministre de l'Urbanisme et du Logement, son Excellence Maizumbu Lawang Amadou, et de son homologue du commerce, son Excellence Al-Kash Al-Hada. L'objet de la mission, ouverture et remise officielle des clés du grand marché moderne de Tawa. Le directeur général de l'architecture et de la construction du ministère de l'urbanisme et du logement a présenté le marché et dirigé une visite guidée. En nous avons 1317 boutiques de 9 mètres carrés donc chacune. Nous avons un hangar central qui fait 2000 mètres carrés pour les étalages. Nous avons deux chambres front. Donc pour les produits périssables, nous avons une mosquée d'à peu près 200 places. Nous avons un bloc administratif en R plus 1 et composé d'environ 12 bureaux. Nous avons trois blocs latrines. Nous avons à peu près 560 mètres linéaires de chaussée bitumée en BD donc on a aménagé le canal de euh, sorte qu'on euh, donc, euh, puisse l'utiliser comme parking. Euh, vous avez à peu près donc 5600 mètres carrés de pavés de raccordement, de raccordement donc, du marché donc, vers les habitations donc, environnantes. À peu près le coût de l'ouvrage, sans le contrôle, et 2 milliards environ 3 milliards de francs CFA. Le contrat fait à peu près 900, 900 millions, 950 millions. Donc vous avez ici un ouvrage qui a coûté environ 24 milliards sur fond du budget national. C'est le ministre de l'Urbanisme et des Logements qui a remis officiellement les clés à son homologue du commerce qui, à son tour, remet au gouverneur de la région d'Ottawa, M. Issa Moussa. technique des travaux ont été réalisés conformément au règles de l'art et à la satisfaction du maître d'ouvrage, j'ai le plaisir de vous remettre officiellement, Monsieur le ministre de Commerce, les clés du nouveau marché de Tawa et souhaite bon usage aux futurs bénéficiaires. Je voudrais toutefois ajouter quelques recommandations au prochain gestionnaire de cet important ouvrage. Assurer un gardiennage permanent et efficace, puisque l'entreprise, en remettant l'ouvrage, se désengage de cette tâche qu'elle assume jusqu'à aujourd'hui mettre en place un système efficace de gestion et entretien pour assurer la pérennité de l'ouvrage. À l'intention du maître d'ouvrage, trouver les moyens de consolider l'assainissement de cette infrastructure par la prolongation du canal amorcé pour l'évacuation des eaux pluviales. Tout juste après la réception de ce marché central de l'ADER, s'en poursuivi une réunion à la salle de réunion du gouvernorat dont l'objectif et la mise en place d'un comité de gestion de ce dit marché. Suivez plutôt l'allocution du ministère du Commerce à cette occasion. Une réunion a regroupé les autorités de la région de Tawa, les commerçants, tout bord confondus, autour de la mission dans la salle de réunion du gouvernorat de Tawa. Les chefs de canton de Tawa, le président du conseil de ville, le gouverneur de la région de Tawa ont intervenu tour à tour pour montrer leur satisfaction et leur gratitude pour ce grand joyau qui est le grand marché de Tawa. Le ministre du Commerce a dans son discours expliquer le pourquoi de la construction du marché central de Tawa. L'État du Niger a, avec l'appui de ses partenaires, procédé à la construction des marchés modernes de Maradi en 2015, Zander en 2017 et Tawa en 2020 inauguré le 19 euh, février 2019 par son Excellence Issoufou Mahamadou, ancien président de la République, le marché d'Ottawa est construit sur fonds propres de l'État pour un coût de plus de 20 milliards de francs CFA pour remplacer l'ancien marché qui datait des années 1940 et qui ne répondait plus aux normes d'une ville en plein développement. Cette infrastructure témoigne du processus de transformation et de progrès enregistrés par le Niger dans le cadre des programmes de rénovation des grandes villes, le marché central de l'ADER est un chef-d'œuvre architectural. Et à ce fait, pour euh, pérenniser et viabiliser ce joyau, l'État du Niger doit se donner tous les moyens adéquats pour adapter les conditions de gestion optimum à même de favoriser la croissance à travers les richesses générées par les échanges commerciaux. Pour rendre opérationnel et profitable euh, tous les acteurs, il est nécessaire d'assurer une gestion adéquate de nos marchés. Alors pour que justement déboucher sur une gestion saine, nous sommes actuellement dans une réflexion et nous allons procéder à une relecture des textes existants et proposer dans les prochains jours au gouvernement des réformes qui rendront la gestion des marchés plus efficace et plus conforme à l'objectif de développement et de modernisation du commerce. La présente cérémonie a pour but l'installation du comité créé par arrêté du 15 juillet 2022, modifiant et complétant l'arrêté du 2 mars 2021 portant création, attribution, composition et fonctionnement du comité technique chargé d'appuyer l'administration dans la gestion du marché central d'Ottawa. Ce comité a pour mission, entre autres, de rendre fonctionnel le marché d'Ottawa, répertorier toutes les boutiques par catégorie et les places disponibles à mettre à la disposition des éventuels locataires, fixer un prix de location raisonnable qui tienne compte des charges de fonctionnement du marché, attribuer les boutiques aux commerçants locataires. Ce comité, je le dis devant tout le monde, est présidé par le gouverneur. Et il sera secondé par le président du conseil régional et le président du conseil de ville, ainsi que d'autres membres, notamment des rapporteurs et euh, euh, des membres euh, permanents. Notez qu'à la fin de la réunion, un comité provisoire de gestion a été placé à l'unanimité et il est présidé par le gouverneur de la région d'Ottawa, M. Issa Moussa. En année de master à option biodiversité, Hapsatou est passionnée de football depuis l'enfance. Plusieurs fois capitaine de l'équipe féminine du Niger, elle est aujourd'hui entraîneuse de football et directrice technique du centre de formation Awafa de Niamey. Suivez plutôt cet élément du studio Kalangou. J'ai joué au football jusqu'à ce que euh, je grandisse. Euh, j'ai joué à l'équipe nationale aussi jusqu'en 2016. Euh, j'ai arrêté pour embrasser le coaching. J'essaie de, donner ce que je peux parce que quand tu vois qu'il y a quelqu'un qui a joué aussi, qui sait jouer, qui vient aussi pour le soutenir, on peut avoir des filles qui vont beaucoup s'intéresser football xutba concernant la elle les biens un ans. elle abandonne à cause euh, voilà, pour de préjugés, à cause des gens qui voient que c'est un peu ça. Quoi. Je pense qu'avec cette situation, on arrive à faire 5 euh, ans, euh, en tout cas on aura de, de, de la relève. quand j'ai vu les filles jouer là-bas, ça m'a motivé et je suis venue jouer. Moi, je veux devenir une grande footballeuse et être admise à l'équipe nationale pour faire plaisir aux gens. Construire des, comme des construire des hôpitaux, des écoles, tout ça ici à Waf on a aussi la femme. Et ça, on l'a initié grâce aussi à Absatou. Parce que le signe même à c'est ce que ça veut dire, c'est Académie Wanda Football. Euh, c'est un professionnel parce que la chance qu'on a eu déjà à jouer euh, avec l'équipe nationale, elle a, elle a été plusieurs fois elle s'est reconvertie en coach parce que c'est quelqu'un qui est, très passionné. Euh, elle a été personnelle durant tout ce temps parce qu'elle nous a aidé non seulement dans la sélection des enfants, mais aussi euh, dans le travail, surtout sur le plan euh, technique. Au Burkina Faso, l'audience en appel du procès sur le recrutement frauduleux de 85 agents à la CNSS a été écoutée. Les raisons de ce renvoi dans cet élément de BF1. Le dossier du recrutement dit frauduleux des 85 agents de la Caisse nationale de sécurité sociale CNSS a nouveau renvoyé au 7 avril 2023. À l'appel du dossier, ce 13 janvier, certains prévenus, notamment un des agents de la CNSS et des témoins, sont absents sans fournir de motif. À cela, il faut ajouter le volume du dossier et des questions de liberté à statuer. La Cour décide alors de reporter le jugement. La partie civile, elle, soupçonne une main invisible tendant à retarder le procès. Nous sommes certains qu'il y a effectivement que des gens ont intérêt à ce que certains témoins ne comparaissent pas. Euh, notamment, il y a un des témoins qui a été appelé, qui se trouve être euh, une personne qui a bénéficié d'une reprise de sa copie et d'une majoration de notes qui n'est pas là aujourd'hui et qui était pourtant comparante en, en bas d'instance. Euh, pour ce type de témoins, évidemment, ça gêne euh, les prévenus parce que le témoignage de ces personnes-là, évidemment, vient les accabler. Il peut avoir intérêt à ce que ces personnes ne comparaissent pas. Mais comme le président de la Cour l'a relevé, <coughs> le témoin est obligé de comparaître, y compris en étant conduit par la force publique. À propos de l'application du manuel de procédure de recrutement, la partie civile dénonce une violation des textes alors que les avocats de la défense, eux, estiment qu'il n'en est rien. Entendu en première instance, la présence de la secrétaire générale de la CNSS est souhaitée à la prochaine convocation on reproche à des gens d'avoir violé des procédures dans l'organisation donc et la conduite de la procédure du recrutement, alors que selon la défense, <laughs> il n'y aurait pas de procédure et qu'il y, aurait même eu du laxisme de la part de la hiérarchie qui n'a pas pris toutes les mesures hein, euh, pour accompagner les organisateurs hein, des concours. Donc, <laughs> nous le voyons venir, mais elle a déjà été entendue. On a tiré toutes les conséquences de son témoignage en bas d'instance, mais on a considéré, on a estimé que ça ne venait pas disculper pour autant les prévenus. Ce qui fait que nous n'avons pas peur de son témoignage et n'a qu'à venir. Et d'ailleurs, son témoignage va concourir, en tout cas, à, à, réaffirmer la constance donc, de la responsabilité des acteurs dans la fraude qui a été commise en 2018. Ce dossier dit de recrutement frauduleux a fait l'objet d'une décision du tribunal de grande instance de Ouagadougou le 16 novembre 2020. Ainsi, quatre des sept prévenus dans l'affaire ont été relaxés pour infraction non constituée. Trois, par contre, ont été condamnés, à savoir l'ex-directeur des ressources humaines de la CNSS. Le dossier a été porté à la cour d'appel suite à une requête des condamnés et du RELAC qui, non satisfaits du verdict, ont interjeté appel. Mais déjà qu'on soit parvenu à une condamnation, euh, nous, nous sommes certains que euh, la justice travaille de façon indépendante, euh, de telle manière que nous n'avons pas de raison de croire que ça va changer devant la Cour d'appel. Vous avez d'ailleurs entendu la Cour manifester donc son inquiétude du fait que le dossier est en train de durer. On dira que la Cour ne travaille pas. Ce qui veut dire que nous nous attendons encore à ce que la Cour d'appel fasse un travail professionnel, rigoureux, indépendant, euh, comme l'a fait le premier juge, vraiment en toute rigueur, sans, sans haine, sans complaisance, mais on va sur des éléments objectifs pour déclarer des gens coupables ou innocents. Une question alors, à quand le bout du tunnel de ce périple judiciaire Pour l'heure, le dossier dure 4 ans avec des intérêts aux enjeux de part et d'autre. Les phénomènes d'effondrement des bâtiments nécessitent d'endeuiller les familles au Burkina Faso. Les drames se poursuivent et les réactions peu vigoureuses. BFM fait le point. La liste devient de plus en plus longue avec son lot de victimes. Un autre bâtiment en construction qui s'écroule. Cette fois, c'est la dalle d'un bâtiment de l'aéroport de Dansin en construction. Quelques mois en arrière, la maîtrise d'ouvrage donnait l'assurance que les travaux en cours évoluaient bien. Un drame survenu alors que les ouvriers étaient en pleine activité. Bilan, sept morts et 5 blessés. Un bâtiment qui s'écroule au Burkina Faso, pas de surprise, ce n'est pas nouveau. Si nous repartons 11 ans en arrière, rien que dans la ville de Ouagadougou, un immeuble s'est écroulé au bout de chaque année avec au moins un décès. D'abord, le 13 septembre 2011. Le 13 septembre 2011, un immeuble s'est effondré à Ouagadougou, 2000 avec euh, un décès et plusieurs blessés. Euh, en 2014, euh, exactement le 11 juin, il y a eu un immeuble à quatre étages qui s'est effondré sur l'avenue du Boronaba. Et dans cet écoulement, il n'y a pas eu de décès parce que ça s'est passé la nuit, mais il y a eu quand même des blessés. Le mardi 21 avril 2015, il y a eu le fondement d'un mur un chantier de construction d'immeuble à Boissiaré, sur l'avenue de la Paix, l'arrondissement 1, et qui a fait un mort et quatre blessés. Le 3 avril 2021, à Ouagadougou, il y a eu le fondement d'un bâtiment R plus 4 à usage d'habitation en construction dans le quartier Bonnerville. Euh, le bilan euh, fait état de deux corps ensevelis Ensuite, en août 2020, une autre personne a été ensevelie à Waiguya par suite d'effondrement encore d'une dalle. La dalle encore, elle viendra mettre sous les gravats un ouvrier et quatre étudiants à l'université Norbert Zongo en août 2021. Un drame de plus qui avait suscité l'émoi au sein de l'opinion au point où le gouvernement de Rocabouré exigeait au plus vite des explications. Parce que le peuple doit comprendre parce que c'est des deniers publics, parce que c'est des bailleurs de fonds qui nous ont accompagnés. Parlant de deniers publics, rien que la réalisation de l'aéroport de Dansé mobilise 445 milliards de francs CFA. À dans les hauts bassins, ce sont encore des ressources de l'État qui ont été utilisées pour la construction de l'école primaire B de cette localité en plein cours avec les occupants, le bâtiment s'est décoiffé. Les murs se sont effondrés sur les élèves. Bilan, un enfant décédé et 26 autres blessés. Ce dernier cas et celui de danser sont du trop. Et il faut qu'on arrête parce que euh, trop c'est trop. C'est une négligence très grave. Imaginez un, temps après que euh, le chantier là passe l'étape, la dalle et que ça se trouve, que ce soit l'aéroport lui-même, qui a, euh, supposé accueillir beaucoup de monde et l'effondrement euh, intervient à ce moment-là. De la négligence, il y en a eu. Pire encore, l'attribution des marchés qui se fait parfois par copinage, des enquêtes qui s'ouvrent et qui ne vont pas à leur terme. On n'a pas encore vu un dossier où on a condamné fermement quelqu'un. C'est du saupoudrage. On essaie d'ouvrir l'enquête, on endort les gens. L'entreprise qui, était sur le chantier de l'université Norbert Zongo, euh, c'est la même entreprise qui a eu le marché de construction du stade de, de et qui n'a pas pu euh, réaliser l'infrastructure comme il se doit. Le toit s'est envolé. Avant même qu'on trouve une solution à ce problème, on attribue un marché encore plus jeté de plus de 9 milliards à, l'entreprise à Koudougou. Il n'y a pas mille mots pour expliquer ces drames au dire de Abdul Karim Ouedraogo. La corruption en ligne de mire, les services de contrôle qui baignent dans ce phénomène ou victimes eux-mêmes de la corruption quand ils veulent être intègres. Un autre aspect, non des moindres, qui précipite aussi les deuils avec cet effondrement concerne les exécutions des travaux au lieu d'employer par exemple des gens qualifiés, là où on doit employer par exemple un ingénieur euh, civile, civil, c'est un technicien supérieur qu'on va appeler pour diminuer les coûts. Là où on doit faire appel à un technicien supérieur, c'est un ouvrier qualifié qu'on va euh, employer pour minimiser les coûts. Parce que si un ouvrier doit être par exemple employé à 1000 francs par jour et l'entrepreneur qui veut euh, euh, réduire les coûts l'emploie à 300 francs, il faut une surveillance accrue à cet ouvrier-là. Sinon, l'estimat que vous lui donnez pour doser dans le béton là, et le fer que vous lui donnez pour mettre euh, euh, dans les poutres et autres là, c'est ce matériel-là que l'ouvrier va se rabattre pour pouvoir rattraper les 1000 francs que vous lui devez. Donc du coup, on se retrouve avec une infrastructure bâclée qui ne répond à aucune norme. Pourtant, le pays dispose jusqu'à ce jour des écoles, des hôpitaux et bien d'autres bâtiments publics et voiries cinquantenaires, voire centenaires, car la nature ne pardonne pas la tricherie. Alors, même si aucune œuvre humaine n'est parfaite comme dit le dicton, les entrepreneurs ou toute la chaîne de suivi, de contrôle, d'attribution du marché ou de permis de construction peuvent minimiser les risques à condition que l'autorité de régulation de ce secteur sévisse correctement pour décourager ceux qui veulent s'enrichir en naviguant dans la corruption et la facilité, clame le syndicaliste. Mesdames et messieurs, c'est ici que prend fin cette euh, édition d'information. passée d'excellents moments accompagnés des programmes de la télévision Tambara. Au revoir.